forum di studio the forum di studio kalangu di Bonsoir à tous euh, et merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Mainensorwa, Tamaske, Bouza, Dolbel, Meyei et Saï. Dans la foulée de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons retenu pour vous une autre thématique en lien avec le sida. Hier, nous, nous avons fait le tour sur la maladie, le traitement, la prévention ou ce qu'on appelle la stigmatisation encore ou encore la discrimination la prise en charge, la prévention et la loi VIH. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la co-infection ou les co-infections. Les co-infections chez les personnes vivant avec le VIH, telles que la tuberculose, le cancer du corps de l'utérus et l'hépatite B et C, mettent en péril l'objectif de moins de 500 000 personnes liées au sida d'ici 2020. Selon l'ONU-SIDA, en 2015, la tuberculose a été à l'origine d'un tiers des, malades, des maladies associées au sida, sans compter que les femmes vivant avec le VIH encourent 4 à 5 fois plus de risques de cancer de col de l'utérus. Il est donc impératif de sortir du sida de l'isolement si le monde veut atteindre la cible 2020. La co-infection, c'est aussi une réalité au Niger. Vous en saurez davantage sur le lien entre le VIH et la tuberculose. Par la suite, nous irons à Maradi pour avoir une vue sur la situation au Niger. Les autres points de ce forum, c'est la décision du président français François Hollande de ne pas se représenter aux prochaines élections présidentielles de 2017. Vous suivrez l'analyse du politologue Issouf Yahya pour qui cette décision du président de la République française a été motivée par l'échec de son quinquennat. Il y a aussi cette conférence publique euh, autour de trois thématiques organisées par Alternative Espace Citoyens dont l'une porte sur le protocole de la CEDEAO face aux velléités européennes de contrôler les flux migratoires. Quelle perspective Oui, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'était hier. Les manifestations continuent. aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du sida et de la co-infection. C'est quoi la co-infection Nous avons posé la question à Dr Hanki Yahya euh, au téléphone. Voici ce qu'il dit. Du fait que le VIH entraîne une immunodépression, on a dit que beaucoup de maladies vont en profiter de cette immunodépression, du fait que l'organisme ne se défend plus. Mais il se trouve que dans le cas de la tuberculose, qui est diminution de l'immunité ou pas, n'importe qui peut faire la, euh, la tuberculose. Donc la tuberculose n'est pas seulement une maladie opportuniste, c'est une infection qui peut attraper n'importe quel organisme. Le VIH aussi. Donc quand les deux se rencontrent chez une même personne, on parle de co-infection. L'infection par les deux maladies, par deux maladies c'est ça la co-infection en fait. C'est quand une même personne a aussi bien le VIH que la tuberculose. Mais là, cette co-infection-là a des implications aussi bien sur le VIH que sur la tuberculose. Mais si on doit parler de définition, c'est quand, au même moment, quelqu'un a le VIH et la tuberculose. justement, comment ça se manifeste Le lien entre les deux maladies, si on peut parler de lien, c'est dire que autant le VIH aggrave la tuberculose. Donc quelqu'un qui a le VIH, il fera des formes graves de tuberculose. Il va développer des formes, la tuberculose maladie très tôt et avec des formes très graves. Et autant la tuberculose aggrave le VIH. Quelqu'un qui a la tuberculose qui fait une VIH, il va directement au stade sida. Ces deux maladies, comme on l'a dit, deux maladies synergiques qui font que la co-infection est extrêmement grave. Qu'est-ce que ça veut dire si je prends de façon simplifiée Si on prend deux groupes de malades, un groupe qui a uniquement le VIH, un autre qui a uniquement la tuberculose, si on prend le nombre de morts entre les deux groupes, on fait la somme de ces groupes-là. C'est inférieur à un groupe de malades qui ont seulement et qui ont la co-infection, donc VIH et tuberculose ensemble. Donc la co-infection tue plus que chaque malade la somme de deux maladies séparément. C'est une réalité au Niger. surtout au Niger. La plupart, la plus, euh, la majorité de nos malades VIH font la tuberculose comme, comme euh, maladie opportuniste. Donc, on a plus de problèmes avec la tuberculose chez nos malades VIH. Et on a fait une étude qui nous a donné à un peu plus de 15% des malades suivis à Niamey, dans les centres de Niamey, qui font aussi la tuberculose. Et la plupart, la, mortalité des malades VIH, c'est dû à la tuberculose dans nos centres. En matière de même temps, oui, allez-y, allez-y. En même temps, on a aussi euh, dirigé une étude. Chaque fois, maintenant c'est une réalité, chaque malade tuberculé, on y cherche euh, le VIH, parce qu'on dit, sait que les deux maladies sont associées. Et là aussi, on a trouvé que autour de 11 à 15 des malades tuberculés ont aussi le VIH donc on la co-infection. Le VIH aggrave la tuberculose, oui. la tuberculose aggrave le VIH. Donc si la tuberculose aggrave le VIH, ça veut dire que le VIH va très vite évoluer vers le stade sida. Et quand on va là-bas, toutes les maladies euh, euh, opportunistes vont se, greffer. Dès qu'il y a la, co-infection, il y a les autres maladies qui vont profiter. Pour une petite, euh, un petit exemple, c'est purement scientifique, je le sais, mais on sait qu'un malade VIH qui fait la tuberculose, la tuberculose eh, augmente la multiplication du virus jusqu'à 160 fois par rapport à celui qui a uniquement le VIH. Qui dit VIH, le VIH se multiplie, veut dire la destruction de tous les systèmes immunitaires. Et quand tout ce système est détruit, tous les autres maladies opportunistes sont là. On parle aussi d'autres maladies comme euh, le cancer du col de l'utérus, l'hépatite B et C. C'est la même chose avec la tuberculose Là, là, si on parle de co-infection, oui, on peut parler de co-infection VIH, hépatite B. On peut parler de. mais pour le cancer du col de l'utérus, là, on ne parle pas de co-infection, mais infection opportuniste, parce que c'est dû à, euh, c'est dû à un, un, germe qui n'est pas très euh, vulnérable chez les personnes qui sont bien, bien portants, mais qui, chez les immunodéprimés, va évoluer très rapidement vers le cancer du col. ce qui fait que de ce côté-là, c'est beaucoup plus une infection opportuniste. Mais dans le cas de l'hépatite B ou de l'hépatite C, c'est une co-infection. Il faut essayer de comprendre. Quand on parle de co-infection, ça veut dire la, la coexistence entre deux maladies puissante. On peut faire hépatite B sans avoir le VIH. On peut faire hépatite C sans avoir le VIH. Donc si, malgré tout, on a les deux associés, on parle de co-infection. Donc co-infection, on le dit en termes de deux maladies sévères qui existent en même temps. Quel conseil pour éviter euh, la co-infection, si on peut l'appeler ainsi Ce n'est pas d'abord pour éviter la co-infection, mais le conseil le plus important qu'on donne à tous nos malades, que ce soit du côté VIH, que du côté euh, tuberculose, c'est que chez tout malade VIH qui a des signes de maladie, donc qui est au stade sida, on doit lui rechercher la tuberculose parce que c'est la maladie la plus fréquente chez les personnes qui ont le VIH. Donc systématiquement, on doit rechercher la tuberculose pour traiter la tuberculose. De la même façon, chez tout malade tuberculose, on doit rechercher le VIH parce que c'est la maladie la plus associée chez les personnes qui ont la tuberculose. Et surtout parce que si on ne cherche pas l'un, même si on traite l'autre, le traitement n'est pas efficace. Pour espérer guérir une, mal une des deux maladies, il faut traiter l'autre. Si je traite seulement le VIH, je, je laisse la tuberculose, mon traitement VIH va échouer. Si je traite seulement la tuberculose, je laisse le VIH, mon traitement tuberculose va échouer. Donc, L'objectif pour nous, agents de santé, c'est de rechercher systématiquement chez tout malade VIH s'il n'y a pas la tuberculose ou bien chez tout malade tuberculose s'il n'y a pas le VIH. Si on peut, sinon, on ne peut pas les guérir. Ça, c'est ce qu'on fait. Maintenant, pour quelqu'un qui a le VIH, qui n'a pas la tuberculose, ce que nous, on recommande, c'est vraiment de se protéger, d'éviter les, malades. même, on évite de les hospitaliser en même temps, au même endroit. Parce que ceux qui ont le VIH sont très susceptibles d'avoir la tuberculose. Mais bon, quelqu'un qui a déjà la tuberculose, c'est les mêmes conseils pour éviter la, euh, le VIH. C'est d'éviter les, situations de risque. Vous venez de suivre le docteur Hanti Yahya sur euh, la notion de co-infection. Alors, pour vous donner une ampleur de la, une ampleur, pour vous donner une idée de l'ampleur de la co-infection, nous allons au centre hospitalier régional de Maradi où la cellule euh, dénommée Magma prend en charge les personnes vivant avec le VIH. Les explications de Dr Agali Anaba, médecin prescripteur, il est au micro de notre correspondant de la région, Mohamed Maman. Au niveau des maladies, on a à peu près 342 patients identifiés PVVHR qui sont enregistrés dans notre euh, hôpital. Parmi ces 342, il y en a ceux qui sont quand même perdus de vue, il y en a ceux qui sont décédés. Et dedans, on a à peu près une centaine de tuberculeux et à peu près 300 qui ont l'hépatite virale B. Tous ceux qui ont le VIH ont la tuberculose ou bien non C'est pas systématique, euh, c'est une maladie qu'on appelle opportuniste, c'est-à-dire qui profite euh, du terrain faible. Il n'est pas dit tout PV, personnes vivant avec le VIH, doit avoir une tuberculose. Vous allez rencontrer des gens qui ont des tuberculoses qui n'ont même pas le VIH. Et c'est des infections qui profitent du terrain. Elles ne sont pas là à 100%. Vous dites à Maradi que vous avez 3342 euh, patients. Euh, comment se fait la prise en charge Tous les patients dépistés sont orientés vers euh, une cellule qu'on appelle magma. C'est un bureau où on enregistre tous les malades. Euh, chaque malade, on lui fait un dossier, c'est-à-dire on lui fait un bilan. Au cours de ce bilan, on le met sous traitement. Et tout se passe dans euh, cette cellule-là qu'on appelle magma. Euh, cette cellule, il y a des personnes qu'on appelle les APS, accompagnateurs psychosociaux, qui eux-mêmes ont le VIH et qui soutiennent, qui aident l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Il y a ce qu'on appelle les éducateurs thérapeutiques, c'est des majors de services qui sont formés pour la prise en charge et qui prennent eux-mêmes, ils sont arrivés aujourd'hui à prescrire eux-mêmes les ARV, c'est-à-dire les médicaments pour les VIH. Ensuite, il y a les médecins. Il y a les médecins qui prescripteurs qui passent à tour de rôle et qui consultent les patients, qui prescrivent les ARV. Et s'il y a d'autres maladies, et ils prennent ça en charge. On peut hospitaliser les patients, on peut avoir des patients qui viennent des centres mères et enfants, des femmes enceintes dépistées. On a à peu près 500 femmes enceintes qui ont été envoyées dépistées. Docteur, par rapport à la disponibilité euh, des ARV, comme vous l'avez noté, est-ce que tout va bien ici euh, Franchement, on a des difficultés pour l'approvisionnement des ARV. On a de nombreux soucis qu'on n'arrive pas à gérer. L'approvisionnement n'est pas effectué euh, à 100%. Il nous arrive d'avoir des périodes où on, est presque en rupture, si on peut le dire. Ce n'est pas une rupture totale, mais il nous arrive de ne pas avoir suffisamment de médicaments. Ceci est lié à une difficulté de coordination des transferts des ARV depuis Niamey jusqu'à Maradi. Voilà, docteur Agali Anaba, médecin prescripteur au centre hospitalier régional de maladie, nous fait le point sur la situation VIH et co-infection. Alors, pour clore le chapitre sida et co-infection, nous allons à Dosso. Dosso, où c'est le camp de la garde nationale qui a servi hier de cadre pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Notre correspondant de la région est parti demander au point focal ISTVIH de la direction régionale de la santé publique la situation du dépistage et la prise en charge dans la zone. Monsieur Harun Alassane est interrogé par Daouda Hassan. Nous disons oui, la population se fait dépister, mais le dépistage est timide. C'est surtout en ce qui concerne la PTME où les femmes viennent se, faire dépister. Les femmes qui sont enceintes euh, et autres, les femmes allaitantes, les femmes qui consultent, en tout cas au niveau des formations sanitaires, c'est volontaire, c'est confidentiel. Mais par rapport à la population générale, vraiment c'est timide le dépistage. Nous avons quatre centres de prise en charge, tels qu'au niveau du CHR de Dosso, c'est un centre de prise en charge. Au niveau de l'HD de Loga, c'est un centre de prise en charge qu'on appelle centre prescripteur. Et au niveau de Douti, de Gaïa et le centre de santé mère-enfant, qu'il s'agisse des médecins ou bien des, infirmiers et paramédicaux dans le cadre de la prise en charge globale de l'infection à VIH. Ça veut dire que ce n'est pas le traitement seulement, la prise des médicaments, il y a aussi la prise en charge psychologique parce qu'il y a le côté psychologique psychologique aussi, on fait de l'éducation pour que les gens essayent vraiment d'être adhérents dans le traitement. Donc vous avez parlé de, euh, des médicaments. Est-ce que vous en disposez en quantité euh, suffisante En tout cas, nous avons les médicaments. Dieu merci, euh, avec le gouvernement, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le Fonds mondial et l'État même qui achète les médicaments, les ARV, vraiment nous en avons en quantité par rapport rapport à cette prise en charge et c'est gratuit. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de, de, cas de rupture de ces médicaments Il arrive qu'il y ait quelques cas de rupture au niveau de certains sites de prise en charge liés surtout au temps que les commandes parviennent. Quand un centre fait sa commande, il envoie au niveau de la région, nous on envoie au niveau de l'ONPPC, mais au retour peut-être ça, peut deux fois prendre un temps et ça peut créer une rupture au niveau des, centres de prise en charge que l'on corrige très rapidement. Voilà, vous venez de suivre le point focal ISTVIH de la Direction régionale de la santé publique de Tosso euh, sur la situation du dépistage et de la prise en charge dans la zone il a été interrogé par notre correspondant à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Autre aspect de cette euh, édition euh, du forum, hier soir à 20h, le président français a officiellement annoncé qu'il ne briguera pas un second mandat. François Hollande estime que sa candidature ne rassemblerait pas les Français autour de lui. Quelle analyse sur cette décision Notre reporter Moussa Zan a posé la question au politologue Isouviaya et pour lui, cette décision du président français a été motivée par l'échec de son quinquennat. Nous l'écoutons. François Hollande, le président de la France, dans un discours officiel, a annoncé qu'il n'allait pas postuler à sa propre succession aux élections de 2017 parce qu'il pense que sa candidature n'irait pas les Français. Politiquement, quelle analyse peut-on faire de cette décision alors, il y a deux niveaux de réflexion, euh, je pense. Le premier, c'est que M. Hollande tire le bilan de sa conduite à la tête de l'État français. Conduite qui s'est marquée par un échec patent dans la direction de son pays. Il n'a pas su améliorer les conditions de vie des Français. Il n'a pas été un président à l'intérieur de la France aussi grand que ne l'ont été un François Mitterrand, un De Gaulle ou un Chirac. Et comme euh, la gauche a littéralement échoué depuis cinq ans, eh bien Hollande a estimé que sa candidature serait de trop pour euh, faire l'unité de la gauche. Maintenant, sur le plan international, il faut quand même lui reconnaître au moins l'intervention au Mali qui a été quelque peu salutaire pour les populations africaines. Maintenant, en ce qui concerne les commémorations, euh, M. Hollande en a beaucoup fait puisqu'il y a eu beaucoup d'attentats, ce qui est aussi une caractéristique de son mandat, son quinquennat. Cette décision étant prise, est-ce que ce serait une leçon pour les dirigeants africains Bon, vous savez, euh, Hollande, s'il il était africain, probablement, il aurait truqué les élections et se serait maintenu pour peut-être 20 à 30 ans. Mais les Français ont une pratique politique ancienne. C'est un peuple épris de critique, de rationalité. Eh bien, dans les sondages, Hollande est au plus bas. Et aucun président de la 7e République n'a aussi touché de fond que lui-même. En ce qui concerne les chefs d'État africains, la plupart d'entre eux n'ont jamais été élus. C'est des gens qui, d'une manière générale, ont toujours truqué les élections pour se maintenir au pouvoir. Dans la plupart des pays, les élections ne sont jamais organisées. C'est un simulacre d'élections qui est organisé à l'issue duquel ils ont entre 80 et peut-être 93 ou 94 ou même 99% de suffrage. Donc Hollande, s'il était en Afrique, je me répète, contre vents et serait candidat naturel de la gauche. Sauf que en France, euh, la pratique politique est ancienne et la capacité de s'opposer, elle est réelle beaucoup plus qu'en Afrique où les populations malheureusement courbent les chines devant le fait accompli. ce cas de figure est inimaginable en Afrique pas qu'il est inimaginable. Le problème, c'est que Hollande est quand même responsable. Ce qu'il faut lui saluer, c'est ce courage de faire face à son histoire, de voir que le peuple lui a tourné le dos et qu'il décide de quitter la scène avant que les spectateurs ne quittent la scène. Alors qu'en Afrique, c'est tout le contraire. La plupart des chefs d'État en exercice, c'est des véritables petits dictateurs qui se maintiennent au pouvoir contre la volonté de leur peuple qu'ils continuent à maintenir dans une misère indescriptible. C'est presque partout en Afrique d'une manière générale. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour cette analyse que vous nous avez accordée. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. L'analyse du politologue Issouf Yahya sur euh, la décision du président français François Hollande de ne pas briguer un second mandat. À 18h36, la suite de ce forum avec l'association Alternative Espace Citoyen qui a organisé dans l'après-midi d'hier une conférence publique autour de trois thématiques dont l'une porte sur le protocole de la CEDAO face aux velléités européennes de contrôler les flux migratoires. Deux points, quelle perspective Selon Hassan Boukar, l'un des organisateurs de la conférence, ce protocole est mis à rude preuve du fait des ingérences étrangères. Hassan Boukar est interrogé par notre, notre reporter Mokhtar Hamadou. D'abord, euh, cette conférence est une conférence inaugurale à une euh, réunion du réseau Sahel Maghreb pour l'immigration. Le réseau Sahel Maghreb réunit des organisations de la société civile, de l'espace sahélien, Sénégal, Mali, Niger, du Maghreb, notamment Algérie, Maroc, mais aussi de France. Alors, cette conférence, nous avons voulu pour comme entrer en matière de notre réunion et nous avons évoqué deux, trois sujets au cours de cette conférence. Le premier sujet concerne le protocole de la CDAO. Comme vous le savez, le protocole de la CDAO, euh, c'est un protocole qui promet la libre circulation dans euh, les 15 États membres. Mais de plus en plus, nous avons l'impression que ce protocole est mis à rude épreuve, notamment du fait de, euh, de l'ingérence de certaines puissances qui sont à la fois des partenaires de nos pays, mais qui se sont imposés comme des acteurs majeurs dans notre espace sahélo-saharien. Par exemple, l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'accords bilatéraux avec nos États. Rappelez-vous de tout ce qui a été dit à la Valette, mais avant la Valette, à travers les accords de Cotonou, qui montrent quelque part que l'Union européenne, en tant que puissance euh, dominante aujourd'hui à travers le monde, qui a un lien particulier avec certains de nos pays, euh, parce que certains membres de l'Union européenne, ce sont les anciennes puissances colonisatrices. Et donc, tous ces éléments aidant, aujourd'hui, l'Union européenne essaie d'imposer un agenda qui vise ni plus ni moins à réprimer la migration, à faire obstacle à la libre circulation. Est-ce que cela est une entorse euh, au, protocole de la CDAO Bien sûr, nous les percevons comme tel, parce que le protocole de la CDAO est là pour faire la promotion de la libre circulation. Or, le type de relations qu'il y a aujourd'hui entre les pays. prenons le cas du Niger aujourd'hui. Tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la région d'Agadez. Aujourd'hui, le Niger fait comme si finalement ce protocole n'existe pas. Si vous quittez Agadez, on vous ramène vers la ville d'Agadez. Or, Agadez n'est pas la frontière du Niger, ni ni celle de l'Union européenne. Agadez est au centre du Niger, vous avez encore de l'espace, jusqu'au dernier village sur la frontière entre le Niger, l'Algérie et la Libye, vous êtes sur le territoire de la CDAO. Le protocole dit, sur le territoire, il y a la libre circulation. Donc cet aspect-là, ça nous concerne en tant que société civile. Le deuxième aspect que nous avons évoqué, c'est la question de la militarisation du Sahara. Avant d'arriver à la militarisation du Sahara, est-ce que le non-respect du protocole de la CDAO peut avoir des conséquences au niveau de notre pays évidemment, parce qu'il s'agit avant tout d'un engagement international. Nous sommes membres de la CDAO. Nous nous sommes engagés librement, comme les autres pays, à promouvoir la libre circulation. À travers le protocole, le s'engage non seulement à promouvoir, mais à signaler tout obstacle à la libre circulation des personnes sur son territoire, qui est un territoire de la CDAO. Les conséquences, ça peut être aussi, par exemple, quelle peut être la réaction des autres pays dont les ressortissants, en tout cas, ne sont pas traités de la meilleure façon dans notre pays. Euh, lorsque des ressortissants de nos pays voisins ici, ils sont censés être chez eux parce qu'ils sont sur le territoire de la CDAO. Alors, le type de traitement qui est réservé aujourd'hui à ces ressortissants nous pose beaucoup de questions. Parce qu'officiellement, on dit, on fait toutes ces actions-là pour protéger les migrants. Mais on le sait bien. Vous décidez de voyager, vous partez, vous préparez votre cheval, vous voulez partir. Quelqu'un vient arracher le cheval. Et il dit, il est fait pour vous aider. Ça pose un vrai problème. Et donc, pour nous, cette question-là mérite d'être posée par la société civile. Alors, le deuxième aspect, comme je le disais, c'est la militarisation du Sahara. Il a de plus en plus des armées étrangères sous divers prétextes dans cet espace saharien. Mais tout le monde sait que l'enjeu de fond, c'est le contrôle des richesses du Sahara. Alors, ces armées-là, aujourd'hui, elles se positionnent aussi pour faire obstacle à la libre circulation des personnes. Est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation des dirigeants euh, nigériens, par exemple, que ces armées euh, européennes débarquent ici, euh, s'implantent ici au Niger Je dirais complicité, pas autorisation. autorisation, ça aurait pu être des structures comme l'Assemblée nationale qui autorise l'installation de ces armées étrangères, mais je parlerai moi beaucoup plus de complicité pour que ces armées-là puissent s'installer dans nos pays. Et aujourd'hui, ces armées qui sont des armées des pays membres de l'Union européenne. Nous avons l'impression que ces armées sont là aussi pour contribuer à jouer l'agenda de l'Union européenne sur la question des migrations. Un des exemples les plus concrets aujourd'hui, c'est l'agenda du ECAP Sahel, qui est là pour lutter contre le terrorisme, mais qui s'est retrouvé aujourd'hui avec comme agenda aussi de lutter contre le mouvement des personnes, contre la migration. Et donc, du coup, toutes ces questions-là méritent, à notre avis, d'être euh, questionnées. Beaucoup de responsables nigériens, des autorités nigériennes pensent que l'important euh, de ces forces étrangères, c'est qu'elles fournissent des renseignements aux armées euh, nigériennes. Ben, on voit bien les résultats. Les résultats, c'est que peut-être qu'on a des renseignements, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des rois, mais on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas plus en sécurité qu'avant. On voit bien euh, ce que nous payons aujourd'hui au travers de nos forces armées nationales, si la quiétude des gens de la région de Difa, le long de la frontière avec le Mali, ça montre quelque part qu'il y a encore des choses à faire. Et donc, pour nous, ces armées mais c'est sincèrement ce que je pense, c'est mon opinion, ces armées sont avant tout là pour assurer l'agenda des puissances qui veulent mieux contrôler l'Algérie, qui est une puissance aujourd'hui, qui veulent mieux contrôler les richesses du Sahara, qui veulent, avec l'effondrement de la Libye, se positionner dans l'espace, qui prépare déjà les enjeux de l'avenir, qui prépare les questions, les guerres de l'avenir, qui se positionne pour occuper un espace, qui est apparemment sans propriétaire, quoi. C'est comme un champ sans propriétaire. Et donc, cette puissance aujourd'hui, elle essaie de s'installer pour jouer leur propre agenda. Vous aurez du mal à me convaincre que ces armées-là sont là pour notre sécurité. Je pense qu'elles sont là pour les intérêts, c'est avant tout des puissances qui sont là dans un contexte de crise globalisée à l'échelle planétaire. Euh, regardez aujourd'hui, depuis la crise financière de 2007, certains pays qui sont nos partenaires du Nord ont du mal et même à s'en sortir de cette situation-là. Crise financière qui est devenue crise économique. Il y a à l'échelle planétaire aujourd'hui une crise de l'emploi, vous avez une crise économique et euh, certaines puissances essaient de régler ces crises, parfois par des guerres, parfois euh, du, reste. L'histoire est riche d'enseignements sur ce type de situation. Et donc pour nous, ces armées sont là avant tout pour se positionner, pour défendre les intérêts des puissances comme la Chine. C'est aussi la guerre entre puissances qui se joue. C'est la Chine contre les États-Unis, c'est la France qui voit son précaré lui échapper, qui essaie de se repositionner, etc. Et à la longue, c'est la démocratie qui se fragilise, c'est l'état de droit qui se fragilise parce que ces intérêts intérêts passe par-dessus tout. Le troisième euh, panel de cette conférence, c'est cette rencontre qui s'est déroulée aux Nations Unies sur la question des migrations. Vous savez, euh, ça fait maintenant euh, plus de dix ans que les Nations Unies aussi essaient de temps à autre de poser la question des migrations. Sous la présidence de Kofi Annan déjà, il y a eu cette rencontre de haut niveau sur l'immigration aux Nations Unies. Alors, de nouveau, les Nations Unies ont posé le débat avec cette crise, euh, que les, c'est surtout les Européens qui, nous, qui l'appellent crise, crise des réfugiés, crise des migrants, les déplacés internes selon les pays, etc. Et donc les Nations Unies ont pensé qu'il fallait poser un débat à l'échelle planétaire sur la question. Mais là, vous l'avez vu à travers la communication, il y a beaucoup euh, d'inachevés dans ce débat parce que les questions de fond aujourd'hui sur le droit à la migration, c'est comme si on donne d'une main, on reprend de l'autre. Moussa Kengari, votre collègue avait participé à ce sommet. Quelle est la position de la société civile nigérienne qu'elle a représentée Pour nous, euh, au commencement, il faut admettre que la migration est un droit. C'est un droit. Le reste vient plus tard. Il y a d'autres questions qui se rajoutent à ça par exemple les questions relatives aux causes de la migration, au contexte dans lequel les migrants se déplacent, etc., l'engagement des pays. Il y a énormément de questions, mais pour nous, il faut admettre que la migration est un droit et il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui dont l'acceptation pour nous euh, remet en cause le principe justement de cette migration qui est reconnue comme droit depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc pour nous, encore une fois, et notre position n'a pas varié, pour nous la migration est un droit. Dans leurs actions, les États, les institutions internationales doivent que l'entendre comme tel et agir comme tel. Qu'est-ce que Alternative Espace Citoyen prévoit de faire dans les jours euh, futurs par rapport à, à, tout ce phénomène Ça fait déjà quelques années que nous travaillons sur cette thématique-là. Et une des choses que nous faisons, c'est d'abord de connaître les enjeux internationaux autour du sujet de la migration. Ce que nous faisons, c'est avant tout un travail de sensibilisation, d'information des citoyens nigériens sur cette question-là, leur faire comprendre aujourd'hui les enjeux qu'il y a autour de certains discours qu'on entend, sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes sur la route, que les gens partent en Europe, ils envahissent l'Europe, il faut interdire, il faut arrêter. Tous ces discours cachent un agenda qui n'est pas le nôtre, c'est avant tout un agenda européen. Notre conviction, c'est qu'aussi longtemps qu'il y aura une répartition inégale des richesses à travers le monde, il y aura un mouvement des zones moins riches vers les zones les plus riches. Aussi longtemps que la migration est reconnue comme droit, il y aura des gens qui vont travailler à jour de ce droit-là. Et donc, le travail que nous on fait, c'est d'informer les citoyens, d'interpeller les États quant à leurs obligations vis-à-vis -vis des migrants, parce que les États prennent aussi beaucoup d'engagements. Par exemple, le Niger a ratifié la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Récemment, il est allé faire un compte rendu à Genève sur cette question-là. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'informer, et de sensibiliser les citoyens, mais aussi d'interpeller les États quant à leurs obligations de protection des migrants. Hassan Boukar, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Hassan Boukar, l'un des conférenciers euh, hier soir à la conférence publique organisée par l'association Alternative Espace Citoyen autour de trois thématiques dont euh, l'une a porté sur le protocole de la CEDEAO face aux velléités européennes de contrôler les flux migratoires. Quelle perspective Allons à la commune 5 de Niamey qui a clôturé ce matin sa dernière session ordinaire dite budgétaire qui coïncide avec la fin de l'année. Au cours de quatre jours d'assises, quatre points ont été examinés, à savoir, euh, entre autres, l'exécution du budget au 31 octobre 2016, le projet du budget 2007 ou encore le programme d'investissement annuel 2017. Selon le maire de la commune, Issa Hamani, la prévision du budget 2017 est très faible par rapport à l'année précédente. Il s'explique au micro de notre reporter Nafis Adamoussirfou. Dans le Code des collectivités territoriales, effectivement, chaque trois mois, euh, nous tenons des sessions ordinaires. Cette année, avec les difficultés financières que traverse la ville de Niamey, nous n'avons pas faire les quatre sessions. Mais euh, bien merci, on a fait la dernière session, dite session budgétaire, qui coïncide avec euh, la fin de l'année. au cours de ces quatre jours, nous avons eu à examiner quatre points. L'exécution du budget au 31 octobre 2016, le deuxième point, le projet de budget 2017, le troisième point, le programme d'investissement annuel 2017 et en quatrième point, les communication. Le budget 2017 est arrêté en recettes en dépenses à la somme de 139 millions 801 500 francs. Mais euh, il faut remarquer qu'ici, à ce niveau, il y a une baisse par rapport au budget 2016 qui était de l'ordre de 171 millions. La baisse s'explique surtout par le fait qu'au niveau du conseil de ville, nous avons traîné des recettes vraiment hypothétiques en ce sens que nous devons recevoir des impôts retrocédés un certain montant. Et pendant trois ans, on s'était dit au niveau du conseil de ville, euh, au lieu de toujours reconduire ce montant, c'est karma de l'ignorer. Et ça, vous conviendrez avec moi que ça doit avoir des répercussions sur les prévisions 2017. Est-ce que vous pensez que ce, budget pourrait couvrir toutes euh, les activités euh, de votre commune pour l'année 2017 Au niveau des arrondissements, nous faisons rien que du fonctionnement. Tous les investissements se font au niveau de, la ville de Niamey. Et nous, au niveau des arrondissements, nous faisons ce qu'on appelle les pays, les programmes d'investissement. C'est des propositions que nous envoyons au niveau du conseil de ville qui les approuve. Et au fur et à mesure, on tire dans chaque commune, voir quelle activité il faut faire. Exactement, euh, ce, montant, il sera utilisé dans quel domaine Oui, pour les investissements, tous les investissements. Ça peut être la construction des écoles, de dispensaires, le curage des caniveaux, la construction de nouveaux cadres. Tout ce qui est investissement. Par exemple, euh, la construction des écoles, la clôture des murs, enfin tout ce qui est investissement au niveau, au niveau des communes. Comment donc vous arrivez à mobiliser les fonds Il n'y a pas 10 000 solutions. Les recettes des communes sont dus essentiellement par les impôts et taxes. Bien entendu, il y a des partenaires qui interviennent dans certains domaines au, niveau des, communes, mais essentiellement, le budget de fonctionnement, c'est la ville qui nous donne une dotation à travers toutes les recettes que nous mobilisons et que nous versons pour le compte de la ville. Et cette année, pour l'année 2017, qu'est-ce que vous entendez faire pour que vous n'ayez pas une baisse dans les recettes euh, On ne peut pas présager. De toutes les façons, on a fait nos programmations. On va faire le recensement porte à porte pour voir exactement. C'est par rapport peut au déguerpissement. C'est le potentiel qu'il y a dans la commune, c'est sur ce potentiel fiscal que nous allons faire nos impositions. Bien entendu, toutes les recettes, nous les mobilisons pour le compte de la ville. Vous venez de suivre euh, le maire de la commune 5 de Niamey, Issa Hamani, sur euh, la prévision du budget 2017 euh, de cette commune. Il était au micro de Nafissa Adamou On va observer une courte pause avec euh, de la musique pour parler du sida. Euh, le sida, c'est un morceau de Fatima Rico. them all. sida de Fatima Rico à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'était hier. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la co-infection chez les personnes vivant avec le VIH, telles que la tuberculose, le cancer du col de l'utérus et l'hépatite B et C, qui mettent en péril l'objectif de moins de 500 000 personnes liées au sida selon l'ONICIDA. L'ONICIDA qui dit que la tuberculose a été à l'origine d'un tiers des malades associés au sida, sans compter que les femmes vivant avec le VIH encourent 4 à 5 fois plus plus de risques de cancer du col de l'utérus. Donc vous avez suivi les explications du docteur euh, Hanti sur la co-infection, puis nous sommes allés à Maradi pour euh, nous donner une vue de la situation au Niger. Les autres points de ce forum, c'est la décision du président français François Hollande de ne pas se représenter aux prochaines élections présidentielles de 2017. Vous avez suivi l'analyse du politologue Issouf Yahya, pour qui cette décision du président français a été motivée par l'échec de son quinquennat. Et puis la conférence publique organisée par Alternative Espace Citoyen autour de trois thématiques, dont l'une porte sur le protocole de la CEDEAO face aux volontés européennes de contrôler les flux migratoires. Quelle perspective Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres euh, numéros du forum.